Thank you. auditrices et auditeurs du studio Kalango, bonjour et bienvenue à ce premier rendez-vous de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalango. À la présentation, c'est toujours le duo Samira Wafi et Mariam Adé pour vous servir. La technique d'aujourd'hui est assurée par Mustafa Ayouba et à l'édition, nous avons Adam Adawaki. Bonjour Mariam, tu vas bien Ça va bien Samira. Alors, euh, quel est le programme du jour Comme d'habitude, nous ouvrons cette édition avec un flash d'informations présenté ce matin par Mokhtar Hamadou. Pour la rubrique hebdomadaire, euh, nous parlons justice comme chaque lundi. Il y aura du loti avec les femmes du studio Kalango, une page sport, de la culture linguistique. De la rubrique Éco des régions, nous allons à Dosso pour parler de la consommation de la glace en cette période de forte chaleur en fin de ce mois béni de Ramadan. Sans oublier nos rubriques spéciales Ramadan dont le conseil sur le comportement d'hygiène avec un prédicateur, les conseils d'éthique et enfin la rubrique rose. Dans la partie invité du jour, nous suivrons ensemble un entretien avec Thierry Crouvelier, le rédacteur en chef de Justice Info et Média de la Fondation Urandel. Ce dimanche 7 avril euh, marque euh, les 30 ans du génocide du XXe siècle, celui des Tutsis au Rwanda. Le pays a-t-il achevé sa reconstitution avec, après l'horreur Comment se passe la cohabitation entre les victimes et leurs bourreaux En grande partie sortis de prison depuis quelques années. Chers auditeurs, évidemment, avant de vous dire au revoir, nous allons écouter les messages des auditeurs. suite les flashs d'informations avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour euh, Mariam, euh, bonjour euh, Samira. Bonjour. À, à présent, le flash d'information. Le gouverneur de la région de Difa, général Mohamedou Ibrahim Bagadouma, a officiellement lancé hier dimanche 7 avril à Difa l'opération de distribution gratuite des vivres et non-vivres aux populations déplacées du village de Moret dans la commune rurale de Chetimari. Cette opération consiste à assister les populations déplacées de la commune. L'assistance est composée de 42 tonnes de mille

Le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, Sidi Mohamed Raliou, a pris part samedi 6 avril à Niamey à la remise des prix aux lauréats de la Moussabaka 2024 au concours de lecture du Coran organisé par la radio et télévision du Niger RTN et le groupe de presse Dunia. Au groupe de presse Dounia, tout comme à la RTN, trois catégories et des prix du concours ont été attribués. Il s'agit du Coran complet, de la moitié du Coran et du quart du Coran. Au groupe de presse Dounia, pour la catégorie Coran complet, le premier a reçu un chèque d'un million de francs CFA, le deuxième un chèque de 500 000 francs et le troisième un chèque de 250 000 francs. Au niveau de la RTN, le premier a reçu 500 000 francs, en plus un carton de sucre et un courant en complet. Le deuxième, 375 000 francs CFA, un carton de sucre et un, euh, euh, euh, un courant un et le troisième 250 000 francs, un carton de sucre et un courant. Le président rwandais Paul Kagame a allumé hier dimanche 7 avril la flamme du souvenir dans le cadre des commémorations du 30 du 30e anniversaire du génocide du Rwanda. Plusieurs chefs d'État et dignitaires ont fait le déplacement dans le cadre de ces commémorations au Rwanda. Les 100 prochains jours seront entièrement réservés à la mémoire des événements survenus en 1994. La communauté internationale avait été vivement critiquée pour son inaction avant et durant le génocide. Le haut commissaire de, l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, de son côté, a exhorté les États du monde, entier à redoubler d'efforts pour traduire en justice tous les auteurs présumés encore en vue. Et c'est tout pour le flash d'information de ce lundi 8 avril 2024. Merci bien Mouktara pour les flash info. Passez une belle journée. Voilà, euh, maintenant place à notre entretien du jour relativement au génocide au Rwanda. Un tribunal international dénommé le Tribunal pénal international pour le Rwanda a été créé le 8 novembre 1994. Les personnes acquittées dans le cadre de ce procès ont été envoyées dans plusieurs pays africains dont le Niger. Pour en savoir sur toutes ces questions, le studio Kalangou s'est entretenu avec Thierry Crévelier, le rédacteur en chef de Justice Info et Média de la Fondation Hirondelle. Il est joint au téléphone par Tarnan Foudé Ahmed. Monsieur Thierry, 30 ans après le génocide rwandais, quel bilan peut-on tirer du mécanisme de justice mis en place Comment la justice a-t-elle contribué à reconstruire les pays et la société rwandaise D'abord, il faut euh, souligner ceci, c'est que euh, le génocide des Tutsis du Rwanda est le plus jugé de l'histoire le Rwanda, en fait, a inventé quelque chose qui n'existait pas et que l'on croyait impossible. C'est la justice de masse après un crime de masse. Euh, après, la réponse de la justice rwandaise, elle a été fondamentalement pénale. Euh, plus d'un million de Rwandais ont été jugés au Rwanda devant les tribunaux nationaux et surtout devant les fameux tribunaux Gachacha, c'est-à-dire 12 000 tribunaux populaires installés à travers le pays. Euh, le fonctionnement ensuite de ces tribunaux, évidemment, a été très variable, souvent critiqué. Il a été d'abord très difficile à accepter pour les rescapés, en tout cas au début, et douloureux pour les personnes accusées à tort, évidemment. Euh, mais au-delà, il a sans doute largement permis, au bout de 20 ans, à la société rwandaise de mettre la question de la justice derrière elle. Euh, aujourd'hui, on a toujours quelques procès ici et là, mais ils n'ont plus à mobiliser la population entière. En fait, euh, l'épée de la justice, si vous voulez, ne plane plus sur la société comme avant. Et ça, c'est un peu le fruit de cette euh, justice de masse. Ensuite, sur le plan national, les deux autres grands volets de la justice au Rwanda ont été les réparations et le travail de mémoire. Au Rwanda, en fait, chaque citoyen et chaque entreprise a dû contribuer un fonds national pour les rescapés du génocide. Et même si la somme euh, pour chaque individu était très modeste, multipliée par plusieurs millions, en fait, ça crée un fonds significatif. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, sur le plan de la mémoire, de, il, y a, de multiples mémoriaux et musées euh, partout partout dans le pays, la mémoire du génocide est centrale hein, dans, dans l'éducation et dans le discours politique. Ça, c'est pour le Rwanda. Ensuite, hors du Rwanda, le génocide a aussi été jugé, comme vous le savez, par un tribunal international de l'ONU qui était basé en Tanzanie, à Arusha. Et en 20 ans, ce TPIR, comme on l'appelle, a jugé seulement 75 individus. Mais il a pu juger la plupart des hauts dirigeants politiques, militaires ou des médias euh, du Rwanda à l'époque. Et donc il a au moins permis, disons, deux choses majeures. C'est un, la reconnaissance judiciaire de l'existence du génocide, qui n'était pas rien. Et ensuite, c'est sur le plan politique, c'est l'élimination aussi des tenants de l'idéologie de Hutu Power. Voilà, leur élimination de l'échiquier politique a été facilitée par l'existence de ce tribunal de l'ONU. Et le dernier mécanisme de justice euh, dont le Rwanda a bénéficié, à ma connaissance, plus que nul autre, euh, c'est l'organisation de procès dans plusieurs pays européens, euh, au Canada aussi, au nom de ce qu'on appelle la compétence universelle. Et là, donc, on a une petite trentaine de suspects de génocide qui ont été jugés comme ça dans, dans différents pays à l'étranger et qui continuent de l'être puisqu'on a encore des procès notamment en Belgique et en France aujourd'hui. Au niveau national, comment la communauté rwandaise a apprécié ces, tribunal tribunaux pénal international pour le Rwanda C'est toujours un peu difficile de faire une évaluation de, ce que les populations ont ressenti. Euh, disons qu'en général, ce qu'on dit, c'est que le TPIR, les Rwandais l'ont beaucoup et longtemps critiqué parce qu'ils le trouvaient euh, trop peu efficace et ne jugeant que trop peu de personnes, une grande critique. Sur le plan national, je pense que c'est un peu ce que je vous ai dit, c'est ce qui a été dur à, digérer, c'est les gachacha, c'était quand même un phénomène euh, incroyable qui mobilisait tout le monde, qui était contraignant. Les rescapés ont eu du mal à accepter qu'il y avait un deal derrière les gachacha aussi, qui était que si les accusés plaidaient coupables, ils pouvaient bénéficier de peines euh, plus légères. C'était très difficile à accepter pour les rescapés. Et puis, euh, tout ne s'est pas bien passé, évidemment. Et donc, il y a aussi eu des, injustices qui ont créé des désillusions ou des déceptions, euh, notamment dans la communauté Hutu. Vous avez en quelque sorte <laughs> même répondu à notre deuxième question. Mais tout de même, nous voulons savoir de quelle manière ces différentes initiatives de justice ont pu inspirer ou influencer, par exemple euh, au Sahel, a, ou bien euh, en RDC ou RCA Oui, je, ne suis pas sûr qu'elles aient influencé directement d'autres pays africains. Mais disons qu'au moins, par exemple, le TPIR, le tribunal de l'ONU, a été le précurseur d'autres tribunaux internationaux, comme ceux de Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest, ou plus récemment en Centrafrique, la Cour pénale spéciale. On appelle ces modèles euh, hybrides. leur action est et, elle aussi euh, souvent très symbolique. Mais euh, ce type d'institution n'existait pas avant les années 90 et avant l'existence du tribunal pour le Rwanda. Ensuite, il y a de nombreux juristes africains qui ont travaillé dans ces tribunaux et notamment au tribunal pour le Rwanda et ils ont sans doute contribué à répandre les, principes du droit international, si vous voulez, sur le continent. Le génocide au Rwanda, évidemment, a marqué toute l'histoire du continent et et d'une certaine manière, il a été à la naissance du développement des efforts face aux atrocités de masse. Ensuite, euh, chaque pays essaie de rendre la justice qui lui semble faisable politiquement à un moment donné. Donc c'est difficile pour un pays d'influencer l'autre. Euh, moi, je pense en ce moment, par exemple, au travail accompli par les tribunaux militaires en, République démocratique du Congo, euh, dans des circonstances extrêmement difficiles sur le terrain et qui me semble souvent sous estimé Bien sûr, c'est pas une action qui est à la mesure des violences et des crimes commis, mais c'est assez remarquable que ça existe. Peut-on vraiment parler faits dissuasifs euh, sur les criminels de guerre et particulièrement de ces tribunaux internationaux pénals pour le Rwanda Un effet dissuasif Oui. Oui, ça c'est un peu toujours dans le discours. Malheureusement, les faits ne le montrent pas du tout. Euh, c'est dur à dire, mais c'est la réalité. Ni en ni en RDC, ni en Ukraine, ni au Soudan, ni en Palestine, ni en Libye, ni au Mali, euh, on a eu euh, des faits dissuasifs euh, qu'on puisse estimer. Et ça, je ne prends que des situations où la justice internationale est pourtant intervenue. Donc, il m'est un peu difficile d'entretenir l'espoir que, que cette justice a un effet dissuasif. Après, est-ce que c'est un argument pour dire que la justice ne sert à rien euh, si on le croit, alors il faut accepter un monde où le droit n'a pas sa place. À ma connaissance, les sociétés humaines n'ont jamais trouvé autre chose que le droit pour réguler la violence, même s'il n'est pas dissuasif. Avant de poursuivre nos échanges, écoutons le conseil du prédicateur. Les musulmans vont bientôt célébrer la fête de l'aide el-Fitr, ou la fête marquant la fin du jeûne euh, du mois béni du Ramadan dans quelques heures. Alors, à quels sont les comportements qui doivent observer les musulmans le jour de la fête Suivant le prédicateur Oustaza Halud Yahya, il est au téléphone avec Hawa Ousmane. Euh, la journée de la fête, euh, une journée d'abord intervient après un mois d'accomplissement de bonnes œuvres à travers l'observation du jeûne du mois de Ramadan. À cette journée, il faut ouvrir son cœur, il faut faire euh, preuve de patience et il faut surtout le matin mettre quelque chose sous les dents avant d'aller à la prière de Dieu et de s'assurer qu'on a prélever la fatate fitre et de l'avoir remise aux ayants droit avant d'aller à la prière de Eid pour qu'elle tienne lieu de zakat Et ça fait partie des actes à Allah, et même euh, des actes, on peut parler d'actes culturels à accomplir le jour de la fête. Il faut reprendre le salam autour de soi, reprendre de la paix dans la parole, Un acte à travers des gestes, des cadeaux qu'on peut faire aux faibles et même aux parents pour marquer d'une empreinte positive la particularité de la fête. C'était là les conseils ramadan avec euh, Oustaz Haladou Yahya. Poursuivons avec notre invité du jour, Thierry Cruvelier, le rédacteur en chef de Justice Info et média de la Fondation Hirondelle, toujours au micro de Tarnan Foudé Ahmed. Deux Rwandais jugés euh, par le tribunal pénal international pour le Rwanda ont été envoyés à Niamey après avoir purgé leur peine avec euh, l'aval de l'État du Niger. Quelques années plus tard, le gouvernement nigérien a demandé leur départ en indiquant qu'ils étaient génocidaires. Quelle est la place des justices nationales face aux décisions du tribunal pénal international pour le Rwanda Ouais, alors l'histoire de l'envoi au Niger de de ces Rwandais qui en fait avaient été acquittés par le TPIR, le tribunal de l'ONU, ou qui avaient déjà purgé leur peine, euh, est une assez triste euh, histoire, c'est une triste saga en fait. Personne n'en sort grandi. Le tribunal de l'ONU a espéré se décharger d'un fardeau sans prendre aucune précaution ni... Euh, ni bon sens et en forçant la main à ces individus dont elle a pourtant un peu la responsabilité. Le Niger, lui, a signé un accord avant de le renier quelques semaines plus tard, pas quelques années, hein, quelques semaines plus tard. Tout le monde s'est trouvé dans une situation assez piégée. La Tanzanie, où ces gens résidaient depuis 20 ans ou plus, ne veut plus en entendre parler. Donc, euh, et d'ailleurs, personne ne se soucie euh, beaucoup du droit de ces individus. Je crois que c'est un peu la triste, euh, la triste leçon de cette, de cette histoire. Et c'est est-ce à part les Niger Niger, euh, la Tanzanie. Y aurait-il des personnes impliquées dans les génocides rwandais qui ont trouvé refuge dans d'autres pays euh, comme le Mali Si c'est le cas, qu'est-ce qui est prévu pour les amener devant la justice Alors le, Rwanda euh, c'est toujours plein que de nombreux pays africains abritent des suspects de génocide. Quand des pays existaient. de nombreux suspects ont en fait ont été arrêtés dans des pays africains et remis au tribunal de l'ONU. Et c'est notamment euh, le fait que les, pays africains refusaient de les extrader vers le Rwanda qui les demandait souvent. Actuellement, il y a un suspect qui a été arrêté en Afrique du Sud et ce pays ne l'a toujours pas remis ni euh, au mécanisme de l'ONU qui a succédé au TPIR, ni au Rwanda. Donc euh, ça n'a pas beaucoup changé. Ensuite, le Mali, comme le Bénin d'ailleurs, vous savez qu'ils ont aussi accueilli plus tard des condamnés du TPIR, ce qui était une forme de, de coopération intéressante. Certains d'entre eux ont d'ailleurs depuis été libérés. Ils vivent sans doute discrètement au Mali euh, parce qu'ils n'ont aucun autre pays où aller. Mais personne ne les craint, évidemment, car ils sont vieux, ils ont purgé une longue peine et n'ont plus le moindre pouvoir. Mais aujourd'hui, le Rwanda continue de réclamer des extraditions aux autres pays africains, mais j'ai pas l'impression que la politique des États africains ait changé en la matière. Voilà une euh, autre question, M. Thierry. Au Burkina Faso, la justice transitionnelle est évoqué pour appuyer les passifs de crise euh, qu'a connu le pays. En quoi les modèles euh, rwandais peut être un exemple Mais Cécile, vous savez, les, situations historiques et géopolitiques des deux pays sont très différentes. Il n'y a pas de modèle qui soit exportable à mes yeux en matière de justice sur les violences de masse. Hein. Chaque pays est contraint par son histoire et ses circonstances politiques. Il y a un chercheur canadien, Mark Freeman, qui a qui a, à mon avis, apporté un aspect essentiel pour analyser ces situations. C'est que la justice transitionnelle, dépend en fait radicalement de l'issue de la paix. Est-ce que c'est une paix négociée ou non Et en fait, cet aspect est fondamental. Le Rwanda a fait des choix qui sont possibles dans une situation de victoire militaire claire et univoque. Et dans un métaphore, au Rwanda, le FPR avait gagner la guerre complètement et à installer un État qui euh, fonctionne euh, de manière euh, ferme. et donc ça lui a permis, le Rwanda du coup a pu rejeter toute justice sur les crimes commis contre les Hutus par exemple. Il a aussi refusé le modèle sud-africain d'une commission vérité et réconciliation. C'était son choix mais son choix dans une situation de victoire. Burkina aujourd'hui n'est pas en paix, il est en plein conflit, et c'est donc difficile, si on retient cette idée que la justice dépend de la manière dont le conflit se termine, il est, difficile de deviner ce qui sera possible ou désirable de faire au Burkina. Maintenant, il y a aussi d'autres crimes qui n'ont rien à voir avec les génocides. Euh, c'est des crimes de masse, euh, des massacres de populations par des centaines. C'est des choses qui se sont déroulées et qui sont en train de se dérouler au Sahel. Est-ce qu'un jour on peut espérer un tribunal euh, pénal international pour juger ces crimes en se basant sur les modèles rwandais, bien sûr C'est difficile aujourd'hui de créer un nouveau tribunal international sur le modèle euh, TPIR. c'est des tribunaux comme celui pour la Yougoslavie qui ont été créés par le Conseil de sécurité de l'ONU. Comme vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de consensus au niveau du Conseil de sécurité. Il est pratiquement impensable aujourd'hui qu'un tel tribunal soit voté par le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc non, euh, je pense que ce modèle actuellement n'est pas, pas envisageable. Ce qui existe, comme vous savez, c'est la Cour pénale internationale, mais elle ne, s'occupe que de quelques cas et uniquement dans les pays où elle a compétence, ce qui a été le cas du Mali, mais enfin ça ne fait pas beaucoup de procès, c'est pas du tout l'équivalent. Euh, ce qu'on peut éventuellement envisager, c'est un modèle comme euh, le tribunal, la Cour spéciale euh, en Centrafrique, donc un modèle hybride avec participation des internationaux et des nationaux, ça c'est éventuellement envisageable, mais euh, euh, c'est de plus en plus difficile de, de, créer des, tribunaux internationaux à cause de, euh, du désaccord entre les grandes puissances aujourd'hui. Donc, ce qui est plus vraisemblable dans, euh, actuellement en tout cas dans ces pays-là, c'est des solutions nationales. C'est-à-dire euh, euh, finalement assez proche du Rwanda, parce que le Rwanda a eu un tribunal international, mais l'essentiel de l'effort de justice a a été fourni au Rwanda par la justice nationale. Voilà, chers auditeurs, euh, c'était la rubrique entretien du jour. À présent, c'est l'heure pour nous de suivre euh, les conseils diététiques. Souvent, à la rupture d'hygiène du ramadan, les grands consommateurs des excitants comme le thé et les cafés essaient de rattraper la journée en abusant de la consommation. Cela peut avoir des conséquences sur la santé selon euh, les spécialistes en santé. Abdelrazak Bello, nutritionniste, nous donne plus de détails. Il est au micro de Hassanour Nour la tendance à vouloir faire un rattrapage, à vouloir prendre ce qu'on n'a pas pu, c'est une mauvaise chose parce que les cafés et les thés, de façon générale, ont une influence négative. Lorsqu'on prend du café et du thé, on peut bien dormir, mais sauf qu'on aura un sommeil de mauvaise qualité et en accumulant les sommeils de mauvaise qualité, on va se retrouver à un moment donné avec une très grande fatigue. C'est ce qui explique souvent chez certaines personnes le jeûne peut générer de la fatigue, mais en réalité, ce sont nos habitudes alimentaires qui consistent à une surconsommation des produits excitants après la rupture. J'appelle aux utilisateurs du café et du thé, s'ils sont des gros consommateurs de café et de thé, vraiment c'est de profiter de cette opportunité du mois de Ramadan pour euh, réduire. Parce qu'on a vu plusieurs cas de personnes qui ont profité de ce mois de Ramadan pour euh, abandonner ou diminuer la consommation Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalango se poursuit cette fois avec la rubrique hebdomadaire qui nous parle de justice. Elle va nous parler du droit international humanitaire qui est connu traditionnellement sur le nom euh, droit de la guerre ou droit des conflits armés. Oui, aujourd'hui, après avoir parlé de la définition du droit international humanitaire ou DIH, <clears throat> nous évoquerons également les sanctions auxquelles la violation de ces droits expose. Tout cela, c'est avec notre reporter Ternan Foudé Ahmed qui reçoit M. Emmanuel Alfred, président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire et le droit de l'homme. Monsieur Alfred, aujourd'hui on va parler du droit international humanitaire, DIH, ou droit de guerre comme on l'appelle. Euh, comment peut-on définir euh, le DIH ou le droit international humanitaire Relativement à la définition du DIH, euh, je peux vous dire que la définition peut varier d'une école à une autre. Si vous prenez par exemple les universitaires, ils euh, estiment ou bien ils considèrent euh, la discipline du droit international humanitaire comme étant un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, visent à protéger les personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus au conflit armé. Ici, vous voyez que euh, il y a un certain nombre de, principes qui encadrent la conduite de la guerre. Il y a des règles qui donnent des orientations sur comment il faut faire la guerre. Donc, quand vous prenez euh, les forces de défense et de sécurité, ces forces-là préfèrent plutôt parler du droit de guerre. Vous voyez donc, la définition peut varier d'une école à une autre. Mais sinon, retenez tout simplement que le DIH, c'est tout simplement cet ensemble de règles qui a pour objectif de protéger les personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus au conflit armé et aussi de limiter le choix des moyens et des méthodes de guerre. Voilà, Monsieur Alfred, après cette euh, définition euh, très complète euh, du droit international humanitaire, la deuxième question, en cas de violation du droit international humanitaire, quelles sont les sanctions prévues Oui, une règle qui n'est pas accompagnée de sanctions est une règle. Donc le droit international humanitaire est une discipline coercissante, c'est-à-dire sa violation appelle des sanctions justement. Donc quand vous prenez euh, les conventions de Genève du 12 août 1949 et leur protocole additionnel de 1977, ainsi même que le protocole additionnel de 2005, ont prévu des mécanismes de sanctions en cas de violation euh, de, de leurs règles. Donc quand vous prenez par exemple ce qu'on appelle les crimes de guerre, les crimes de guerre existent et elles se commettent sur le théâtre des hostilités. Vous prenez par exemple la destruction des biens à caractère civil. Tout bien dont la destruction ne confère pas un avantage militaire ne doit pas être de tout. notamment les biens civils, pas les objectifs militaires. Vous prenez les lieux de culte les biens culturels, les écoles, les hôpitaux, les points d'eau, ces biens ne doivent pas faire l'objet d'attaques en aucune circonstance parce que ce sont des biens civils qui n'ont pas de caractère militaire. Par conséquent, les parties au conflit doivent prendre toutes les mesures idoines pour préserver et protéger ces biens. Vous avez également le déplacement massif des populations qui peuvent être euh, commis dans le cadre de la conduite de la guerre. Le fait de s'en prendre à ces biens constitue un crime de guerre. Et en cas de commission de crime de guerre, il y a des juridictions qui sont compétentes pour connaître de ces violations. Monsieur Alfred, euh, parfois les viols et la violence sexuelle sont utilisés comme armes de guerre. À ce niveau, quelle est la position du droit international humanitaire Le droit international humanitaire est assez explicite et très clair. Et la question des, des viols, quel qu'en soit l'auteur, une fois que cela est commis, c'est-à-dire une fois que le viol en masse ou de manière isolée est commis sur des femmes, sur des filles, sur le théâtre des hostilités, cela constitue une violation du droit international humanitaire et par conséquent cela appelle à la répression. Peu importe la partie qui l'a commise, elle est susceptible de poursuite, tant par la juridiction nationale que par la juridiction internationale qui est la Cour pénale internationale. Parce qu'il faut le dire souvent, euh, les juridictions euh, nationales ont compétence également pour connaître de ces crimes. Tout comme la Cour pénale internationale, il y a le principe de la subsidiarité qui permet aux deux juridictions d'être compétentes en cas de commission de ce genre de crime. C'était la rubrique à Justice réalisée par Tarnan Foudé Ahmed. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, euh, ne vous en faites pas. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission sur notre site web www.studiocalangou.org. Samira, c'est l'heure de faire un tour en région. Et dans la rubrique Écho des régions, nous allons à Dosso pour parler de la consommation de la glace en cette période de forte chaleur qui coïncide avec le mois béni du Ramadan. Umu, kira min mai gilas kin ce na ya zo ya kwasa. Ramadan yana nufi lokaci na kamantuwa, natsuwa da kuma kama baki ga al'umma musulman duniya da dama a yayin gabatar da wannan ibadar. A doso watan Ramadan ya kasance lokaci na buƙatar cimaka kala-kala ga musulmai masu ibada. Kana kuma lokaci ne da aka fi amfani da abubuwa na more rayuwa da kuma na sanya zakata, kankara ko kuma na ce glass a turance. yana ɗaya daga cikin abin da aka fi amfani da shi a yayin buɗe baki. A jihar Doso mata har ma da maza ne ke siye da saisuwa na sana'ar glass matasa kamar yadda waɗannan matan suka shaida mana. Sana'a mu dai alhamdulillah muna samu ciki muna ci muna sha alhamdulillah babu wani problem lokaci muna ɗan samu da ya tangarɗa saboda ya shiga cikin gari kamar mu da baki in mun shiga wani lokaci mutum bai san hanyoyi ba haka. Glass inda gida gida ne kuke zuwa kuna tattara su ko kaka. Muna zuwa bakin kofar gida na kwankwasa mu tambaya in akwai glass in akwai sai mu dauka kuma babu mu ƙara gaba in kuma kana da kiran da ka tura mu an zo an san da zuwan ka mu ka kira waya ka ce ga kanan zuwa sai a aje maka in kuma ba in kuma babu sai a ga maka bai ba ka samu bai ka tafi wani wuri ka nema in kuka shiga cikin gidan galas in nono aka kusan shi lokaci yanzu da gaskiya irin wannan lokaci galas yanzu bai da riba sosai saboda kai in ka dauke shi ashirin ashirin in ka tai can gida kana faɗuwa saboda masu mota su suke sai da shi talatin to da kake da moto moto ma kila ba naka na ka dauki haye na ka dauki las 20 ka da da 30 kai babu riba dole dai ma neman sauki gare su in ma ka samu sa'a kan samu shi goma goma lokaci sai dai kuma sun ce ana samun problem wajen bangaren wuta haka kakan iya zuwa ka iske kalasa bai farmi ba dole ka bashi ka ce wani wuri ka nemo a takaice wa'annan matan lalle suna fitar da kankarar glass in ne zuwa cikin ƙauyuka makusanta birnin doso su dai a cikin wannan rahoton su nuna cewa suna fuskantar kalubarai iri daban-daban waɗanda suka hada na sufuri da kuma irin abubuwan da suke cin karo da su a yayin tafiyar da suke na tsawon kilomita saba'in a kowace safiya kafin su samu kankarar glass ɗin. rigohin kano gaisi a fokulu glasses waran waran zana gidan ara waran waran kamo no ai ga nera kai kab kai nai noro ai mini no gai glasso im sabu im bai giza ai garau. alme hawo ma ba ya dinno idda yiti borai wai idda bisa ba giri wai kyar banda matsala guda ce muke fuskanta tsakanin mu da su matsalar kupil in sun zo suka iske glass bai forme ba ba za su dauke shi ba saboda su ma ba kusa suke ba yawo suke kamin su kai inda za su glass yanar na samun ciniki lokacin azumi gaskiya Merci Nana Hadiza pour ce reportage. Samira, présente présent, place au sport avec notre chroniqueur du jour, Adam Sari. Bonjour Adam. Bonjour Mariam, bonjour Mira. Bonjour. Alors Adam, on connaît désormais le club d'élite africains qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions africains. Après des quarts de finale très passionnants ce week-end, le club égyptien Dalhali, l'Espérance sportive de la Tunis, les Mamelody Sundowns de l'Afrique du Sud et le TP Mazembe de la République démocratique du Congo se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions africaine. Les demi-finales se joueront à domicile et à l'extérieur les 19 et 20 avril pour les matchs aller et les matchs retour prévus les 26 et 27 avril 2024. Lors de la première demi-finale, Al-Ali affrontera le TP Mazembe dans ce qui s'annonce comme une rencontre très passionnante. L'espérance sportive de la Tunisie affrontera les Mamelody Sundowns en deuxième demi-finale. Adam, on connaît aussi les demi-finalistes de la Coupe de Confédération africaine. Eh bien oui, Mira, l'équipe marocaine, la Renaissance Berkane, a assuré sa place en demi-finale en battant les Libyens d'Abou Salim 3 buts à 2 ce dimanche. L'USM d'Alger, tenant du titre, a atteint les demi-finales après avoir battu le club nigérien de River United 2 buts à 0 dans le derby égyptien entre le Zamalek et le Fitir Football Club, sous le Zamalek qui a décroché le ticket pour la demi-finale après avoir remporté ce choc 3 buts à 2 sur l'ensemble des deux rencontres. Et enfin, le club ghanéen, le Dream Football Club, a éliminé le stade malien sur le score de 3 buts à 2 sur le cumul des deux rencontres également. Nous reviendrons plus en détail sur les dates des demi-finales. C'est tout pour aujourd'hui. À demain. Merci bien, euh, Adam. Passe une très belle journée. Alors, euh, place euh, au portrait du jour, Marianne. Samira Atera, ils sont nombreux les jeunes qui s'adonnent à la réparation des téléphones portables. En effet, Brema Omar est un jeune qui a comme activité génératrice de revenus la réparation de téléphones portables à Atera. Et eh oui, écoutons son portrait avec euh, Boukari Kanda. Burema Umaru Hama, connu sous le pseudonyme de Hama Tinka, est un jeune étudiant au département de philosophie à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Comme activité génératrice de revenus, il fait la réparation des téléphones portables à Tera. Il a appris ce métier en classe de 5e avec son propre téléphone avec lequel il s'entraînait à réparer à travers des méthodes archaïques

Je me nomme euh, Bourem Omar Hamma, étudiant à l'université Abdou Moumouni, département de philosophie, culture et communication, master 1, option esthétique, euh, l'art et culture. Aujourd'hui, à part euh, les études, je répare des téléphones portables. Je n'ai pas ouvert un atelier. Ceux qui me connaissent me donnent leur appareil, je les répare chez moi. Je peux dire que mon atelier se trouve présentement chez moi. Ce travail-là, ça me plaît beaucoup. Je l'ai commencé dans les années 2011 2012 C'est avec mon propre appareil. J'ai trouvé les rayons des bicyclettes là. Je les ai tapés jusqu'à... J'ai pu ouvrir euh, le téléphone et je l'ai réparé. À ce moment-là, je faisais cinquième. Ce qui m'a motivé de plus, Lorsque je l'ai commencé, je vis que vraiment je peux satisfaire mes besoins dedans. Dans la journée, on trouve 2000, 3000 et je vais même arrêter de demander aux parents de m'envoyer de l'argent puisque déjà je gagne quelque chose dans le métier là que je fais. Dans son parcours, Bouraima Oumarou Hama n'a pas échappé au risque de son métier. Ce dernier marque une perturbation aussi bien dans ses études au niveau secondaire qu'au niveau supérieur. Tout de même, il tient son bonheur dans la réparation des téléphones portables. Je suis à l'université, en même temps je fais ce métier. Ça jouait sur euh, mon école puisque le marché de terrain c'est le jeudi. Je ne pars pas à l'école le jeudi. Si je pars à l'école, c'est qu'il y a une évaluation. C'est ce qui fait en sorte que même les interrogations, surprises, là, je les rate. À l'université encore, chaque mercredi, je ne pars pas à la fac. Quand on descend à midi ou 13h, je pars euh, au grand marché jusqu'à 18h et puis je rentre je peux dire qu'aujourd'hui, je n'ai aucun autre travail si ce n'est pas ce travail. Et tout ce que j'ai pu m'acheter, c'est dans la réparation du téléphone portable. Je satisfais mes besoins, je me suis marié, je prends en charge ma famille, alhamdulillah. Mustapha Moukela Tahirou est un ami de Hama. Lui aussi est vendeur d'accessoires de téléphone portable à Tera. Il joue un rôle important dans la vie de Hama. Chaque jour, Hamma part dans sa boutique pour récupérer des téléphones en panne en vue de les réparer. Hamma, on s'est connu à la fac d'abord. Lui, il faisait département de philosophie alors que moi, j'étais au département de géographie et aménagement de l'espace. Comme moi, en question, je ne répare pas de téléphones. Quand les gens nous amènent des téléphones pour des réparations, je l'appelle, il prend les téléphones, il répare. Lui aussi, les couvertures des téléphones, et les antichocs, il les amène, j'ai maquille les téléphones. Ce qui m'impressionne de plus, celui actuellement, non seulement il continue ses études supérieures, mais aussi il arrive à subvenir à ses besoins sans pour autant demander l'aide de qui ou quoi que ce soit. C'est ce que tout le monde devrait copier pour que nous puissions développer ce pays-là. Omar Tal, connu sous le nom de Demba, se souvient des bons moments qu'ils ont passés ensemble. inda botara non ka sintin me gil fodon ni charkube il go go me gila bande kalir ko te wo hune bonga e go wani akin ka am de irga am gine yon am kwa hansu boye sam ni se portable han sin kaswani am fo ni di ine fulanin mun se data ya aga hanse la réparation des téléphones portables est un métier qui n'est pas du tout facile à exercer car à tout moment on peut être victime d'un remboursement explique Bourema Umaru Hama les difficultés qu'on trouve souvent, c'est avec les clients. La réparation du téléphone portable, là, c'est vraiment pas facile. Quelqu'un ne va pas acheter un appareil de 50 000, de 100 000 et venir le mettre dans ta main pour une petite réparation. Et dans la réparation, le tournevis peut brouter la nappe et puis ça gâte tout manque de patience. Et lui, là aussi, quand il arrive, c'est le grondement qui commence jusqu'au remboursement. Moi, personnellement, en 2015, j'ai remboursé un 25 000. Enfin, Bourema Omaru Hama prodige des conseils à l'endroit des jeunes de ne pas rester les bras croisés à ne rien faire. Les conseils que je peux donner, c'est aux jeunes qu'il ne faut rien. Il ne faut pas rester les mains croisées basées sur le parent ou les chômeurs là. Tu es un master 2, tu as une licence, tu dis tu ne fais pas le commerce. L'entrepreneuriat là, c'est très important et il n'y a pas un sous-métier. Bourema Oumarou Hama continue d'exercer son métier qui le passionne tant et qui lui génère des revenus lui permettant de joindre les deux bouts. C'était euh, le portrait du jour réalisé par Moussa Boukari Kanda. Chers auditeurs, faisons une pause et on revient juste après. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. À présent, il est temps de prendre soin de nous avec la rubrique rose. Eh oui, amis auditrices et auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, vous écoutez l'émission Le Niger sur Kalangou et c'est l'heure de la rubrique rose. On écoute et on revient juste après. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou chers amis, vous qui êtes à l'écoute de la rubrique rose spécialement pour vous aujourd'hui, dans cette rubrique, nous allons continuer en cuisine, mais là, je vais vous donner deux recettes que vous pouvez préparer à l'occasion de la fête pour recevoir euh, vos amis qui vous rendront visite. Nous allons commencer. Euh, d'abord, je vous donne euh, un plat pour le dessert, ça sera un gâteau et après, on fera un autre plat, une soupe de légumes. Si vous voulez, vous pouvez la prendre en entrée hum, ou bien en plat de résistance. Commençons d'abord par le dessert. Ça sera pour un gâteau, vous aurez besoin de 4 œufs, un demi-verre de sucre, un verre de lait, deux verres de farine, un demi-verre d'huile, deux sachets de levure chimique. Maintenant, vous mélangez d'abord tous les ingrédients sauf la farine et la levure chimique. Et lorsque les ingrédients seront bien mélangés à l'aide de votre batteuse ou bien qu'elle soit électrique ou bien à main ou d'un fouet, ajoutez la farine et la levure chimique progressivement et bien mélangée. Et pour que le gâteau ne colle pas sur le moule, graissez le moule avec un peu d'huile et de farine et versez le mélange dedans. Vous mettez au four euh, à 180 degrés ou bien à 200 si vous voulez pour 25 à 30 minutes. Voilà, quand ça sera prêt, vous pouvez le découper et le manger comme ça. Et si vous voulez, vous pouvez aussi dans le mélange ajouter des graines de raisin sec ou bien des tranches de banane que vous allez mettre euh, juste après avoir euh, euh, beurré votre moule. Vous pouvez placer les tranches d'ananas et verser le mélange puis mettre au four. Ça, ça dépendra de vous. Pour ceux qui veulent aussi plus de gâterie, vous pouvez faire aussi du glaçage pour, pour un peu charmer vos invités. Voilà, maintenant passons au plat de la soupe de légumes. Vous aurez besoin de la viande, des pommes de terre, de la courge, des carottes, des oignons, des tomates, vos épices préférées, ça dépendra, du curcuma et un verre de lait. On commence par mettre un peu d'huile dans la marmite et faire rôtir la viande, puis ajouter les oignons, les tomates déjà hachées et laisser jusqu'à ce qu'ils fanent. Puis euh, mettez les épices, le curcuma, l'ail, le sel et les légumes restants et laissez cuire jusqu'à ce que tout soit bien parfumé. Vous allez sentir une bonne odeur se dégager. Ça sera cuit. Lorsque les légumes sont cuits, sortez-les Broyez-les et remettez-les dans la marmite en ajoutant un verre de lait. Laissez-les bouillir pendant 5 minutes et éteignez le feu. Voilà, votre soupe de légumes, elle est prête. Et attention, pendant que vous allez les broyer soit dans un mixeur ou bien dans un pilon, ne mettez pas la viande. Laissez la viande en dehors de ce mixage et rajouter la viande après. Mais à certains qui préféraient peut-être mélanger le tout de toute façon, c'est une soupe de légumes, vous pouvez la manger quand vous voulez, à votre goût. Voilà, c'est tout, passez de très belles fêtes, aujourd'hui à très bientôt. Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique rose. J'espère que vous avez aimé. Samira, c'est pour nous de découvrir les lotus du jour. Le loti d'aujourd'hui met l'accent sur l'importance de laver les mains avant d'allaiter son enfant. C'est le thème central de la rubrique d'aujourd'hui. En effet, elles sont nombreuses les mamans qui n'accordent pas d'intérêt au lavage des mains avant de mettre leurs enfants au sein. Écoutons Semra Rouafi et Rekia Arimi sur le sujet. Affairage, tu as fait, tu n'es pas patiente. Ah, patiente un peu, j'arrive. Aslam alaikum. Aslam alaikum. Yani, c'est Ibu qui pleure comme ça. Il est malade. Il est en parfaite santé. Il a juste un peu faim. Nourris-les alors. Tu sais que c'est pas bon pour la santé du bébé de le laisser pleurer longtemps s'il n'a rien. Ça peut le rendre malade. Je le sais très bien, ma chère. Alors, il faut le consoler. C'est ce que je m'apprête à faire là. Juste le temps de le sortir de dos Regarde comment il crie, comme si on lui a mis du piment dans les yeux. Tu sais, on dit ventre qui a faim <laughs> n'a point d'oreille. Hein. Attends, je vais lui donner le sein pour qu'il se calme. Ensuite, nous pouvons parler. Prends, prends mon bébé, c'est fini. Calme-toi, c'est bon, c'est fini. Attends, attends, une seconde. Qu'est-ce que tu fais Je vais l'allaiter. Sans te laver les mains Toi qui viens de traverser toute la ville là, comment tu vas allaiter comme ça avec les mains sales mais je me suis lavé avant de sortir de la maison. D'accord. Mais il est conseillé de laver les seins quand tu vas l'allaiter. Ou si tu veux tirer les laits, de laver les mains. Pourquoi les mains Parce que cela permet de prévenir certaines maladies. Hmm. Demain, tu vas encore me dire d'aller faire autre chose. Non, t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin d'en arriver là. Les spécialistes conseillent seulement des règles d'hygiène pour le bien-être du nourrisson, comme par exemple éviter les savons parfumés pour se doucher car ça pourrait masquer l'odeur naturelle de la peau. C'est un peu logique, hein? Quoi encore Il faut porter un soutien-gorge qui soutient bien la poitrine, sans la comprimer et surtout les laver au moins trois fois par semaine. Ah bon Tu es sûre que tu n'as pas ajouté des choses. Pas du tout, Yanni. Cela montre que tu n'as pas été assidu au centre de santé pour les consultations. Ce sont des conseils qu'on donne aux femmes allaitantes. Et surtout, les agents attirent leur attention sur le respect de ces règles d'hygiène, car les bébés sont très sensibles et contractent facilement des maladies. Delo, vraiment merci du rappel. Tu sais, il est un enfant qui pleure beaucoup. Et quand il crie, tu oublies même l'essentiel. Merci mon ami, on va bien causer maintenant qu'il s'est calmé. Ma chérie, toi tu dois vraiment changer de métier. Hein. <laughs> J'ai assez appris avec mon ami sage-femme. Et ce n'est pas pour rien que tu me vois toujours coller à grand-mère. Elle me donne plein d'astuces. Trouve un temps libre seulement et je vais tout te raconter. L'autre est à faire. <laughs> Inch'Allah, ma copine, cette semaine même, on va organiser ça. Ah bah, toi, Allah Sortie du jour, euh, découvrons à présent la recette culinaire euh, communément appelée sabi, le couscous traditionnel qui constitue la nourriture phare de la région d'Agadez et très sollicité pendant les cérémonies de baptême et de mariage. Découvrons les processus de préparation du sabi au micro de Saadat Malambaba. Kuskus ko kuma sabi wani nau'in abinci ne da ke da mahimmanci a birnin Abzin wanda an fi yawaita yin shi a lokacin bikin aure ko aifuwa ko tuwon sallah. Aminata wata mata da ta shahara kuma ta da shi sana'a ta shafe shekara talatin tana wannan aikin. To shi dai saɓi wangare da kike ji ana ca saɓi ka suna ne dai kuskus ne to shi wannan kuskuskin sabi ne kuma ake mishi wanda yake da fulawa ne ake saba shi kamar shi sabin yaya ma ake yin shi kuma da mi da ne ake yin shi kuskus ne wanga dai na kartu wanga na alje shi ne ake nema da fulawa to su ne ake kawowa shi wannan kuskus sai a zube shi ga daro ko wata babbar roba haka ana yi ana tarfa 'yan ruwa dai ana saɓawa. ana sabawa har ya kai ga tashi to bakin in ya tashi na da za a rinka ɗebo fulawa ana sawa ana tarawa da fulawa kala yana ƙananan shirɗa har ya kai ya zan manya daɗa da ya zan manya daga nan wurin da za a ɗuko akwai ta mimuwa wanda yake damun su musamman wa'annan na aikin saɓi ne ana rerewa ana fudda manya ana fudda ƙanana da haka nan a samu ya tashi to in ya tashi da yake kuskuskin ya zama na kashi biyu ne akwai na alkama kuma akwai wanga da daggaya miki na kuskus wanga na Alije. to shi na alkama yana da daɗi saboda ya mafi wanga na Alije. daɗi saboda ƙamshi ke gare shi amma aikin shi wahala ke gare shi alkama na sai an tsintse ta an fidda mata ƙasa ki a fece ta sa'annan a wanke ta a shanya in ta bushe sa'annan za a kai ta mashin a yo mata tsaki ƙanana in an tankaɗe ta lokacin nan za a zauwa a fara saɓa ta wadda na miki wancan zance na wancan kuskuskin na Alije. to kamar haka nan ne ita ma saɓa ta ake amma ita wuyar tashi ke gare ta ba ta kama da na kuskus wancan na alji amma ga daɗin ci na alkama ya fi daɗin ci saboda daɗin da na wancan ba guda ne ba to shi wannan sabarin da aka riga aka yi shi lokacin nan za a liƙa madambaci in an liƙa madambaci wannan da aka saba sai a ɗoka a zuba shi ga madambaci in ya taso za a murje shi in an murje shi sa'annan a shanya shi amma shi wannan kuskus in za ka yin shi ko gidan ka ne sai ka shirya dan saboda shi abinci ne wanda yake na ɗanɗano abinci ne wanda yake na mutana a gada abinci ne mai daɗi don saboda ko baƙi in suka zo suka ɗanɗana wannan kuskuskin suna son shi saboda akwai waɗanda yake baƙi ne suke zauwa nan garin agar in sun ɗanɗana shi sai sun yi aiki suna neman salin washi wanga kuskus kaka ake yin shi kamar shi wannan aiki na wannan sabi da kike tun yaushe ne ma kika fara shi to na daɗi ba yau ba ne saboda ni wanga aiki da na fara shi yau shekara talatin wanga sabi da nake yin shi wani da za ya kawo ɗan kaɗan na ne na daidaicin gidan shi kuma wani sabga za ta samun shi za ya kawo maka ya ce maka yana son wannan sabi wani ya kawo maka kaɗan na wani ya kawo maka karto guda akwai har masu kawo karto biyu ko uku wanda za su cewa suna son shi a musu shi kamar shi wannan aiki da kike runguma da gashi muna ganin shi kamar duka yana cikin hidimar sallah ne ko yana cikin hidimar sallah saboda bakin da aka ce miki azumi ya kai sha biyar ga wata da mutane za su fara kawowa aikin nan saboda abin ma jere ne wanda ya riga ya fara kawowa dole sai an yi nashi an ida sa'an nan za a ma wanda ya mayu daga baya saboda kowa so yake yi tun sha biyar ga wata na fara shi bakin an ce gobe daren sallah na tsaida saboda aikin shi yana da yawa saboda wani in ka mishi dole na wurin ka sa ka gyarawa ka shanya mishi sai ya bushe sa'an nan ka bashi kenan kana doke na wani kana gyara na wani wasu sun fi in aka ida ma a basu abin su sai da shi can gurin su shanya wasu kuma sai su ce maka ka bar shi nan wurin ka in ya bushe a ini kina taba kama kilo nawa a ini guda ina saba karto guda in dai na tashi tun da sahi in aikin yana da yawa wani lokaci ina neman masu tanyo kamar in wanda yake mutane sun kawo da yawa ne kuma an matsi da shi ana gogawar shi kenan ina kiran mutane wanda yake su ma kamata ne aikin su ne sai su zo su kakkama mini mi shi a shanya shi inda azumi ya raga ya raba tsaka shine na fi sosai ko ma ba ga azumi ba akwai mutane wanda yake muna a garin mutane da yawa wanda yake suna shawo shi suna son shi saboda shi abu ne mai daɗi wanda yake abinci ne Voilà, j'espère que vous allez essayer cette euh, recette euh, chez vous. Le Niger Kalangou se poursuit avec la culture linguistique en français et en anglais avec euh, Samira Omoro. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. En espérant que vous allez bien, bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Hello, ladies and gentlemen. Hoping you're doing well. Welcome to your show culture linguistique. Cette semaine marque la fin du mois de Ramadan. Il est recommandé de prélever la zakat. Vous l'avez deviné, le mot du jour est zakat. La zakat est une obligation islamique essentielle qui se déroule à la fin du mois de Ramadan. Elle sert de purification pour ceux qui ont jeûné en expiant les manquements mineurs commis et elle offre également un soutien aux pauvres et nécessiteux pour qu'ils puissent célébrer l'Aïd al-Fitr. Zakat in English means charity. Charity is the voluntary giving for help. Let's take an example. Charity is for helping those who are in need. That means in French, la charité a pour but d'aider ceux qui sont dans le besoin. Un dernier exemple. I should donate money to charity, qui veut dire je devrais donner de l'argent à nos The amazing benefits to donating to charity are positively impact your mood, boost development, and gives life a new meaning. Chères auditrices et auditeurs, nous voilà à la fin de notre rubrique. Ladies and gentlemen, that's all for today. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci Samira pour ces éclaircissements, chers auditeurs. Euh, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 à 64. À présent, écoutons les messages vocaux des auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Assalamu alaikum wa wa barakatuh. Sunana wanda aka yi sani da Chabros Shabri Garage Buza. yana mika sakon gaisuwa ta ga studio kalangu ina jinjina muku muna jin daɗin shirye-shiryen da kuke yi muna biyar da ku sau da allah ya dawo muku sunana alhaji mamman sani ballar yara tahir tebur rai sosai shirin yana tar da mu kuma muna jin daɗin shiri saboda studio kalangu duk wani labari na duniya a karkashin shi muke yi kuma gaskiya mun gode allah ya saka da alheri allah bar zumunci ko muna jinjina musu muna ɗaga musu da muce kuma muna jin daɗin abin da suke haɗi muna na labarun duniya sannan muna son kari mu inda stadium kalanguna ko awa biyar sun kara mana muna so ina gaida garan faraki na sule salifu a tilaberi peti marshe ina gaida abokina amini na kanina abdullahi alasan a garin lafa jihar tawa da departamentin keta bayan haka kuma ina gaida ban abokina babban amini na alhaji hashim american cikin garin yamai cikin kasuwa habu bene ni ce ramatu amadu wadda aka yi sani da suna ramatu bula a sha madara ina nan ja da magaran ina unguwar so mai gari gaskiya studio kalangu ina jin daɗin shirye-shiryen ku sosai da sosai musamman ma da wani sabon shirin da kuka samu na sha ɗaya zuwa sha biyu wallahi muna jin daɗin shirye-shiryen ku sosai da sosai ubangiji allah ƙara hazaka kuma abin da ya ƙara bani shawa a wanga studio kalangu saboda a kullum kuna barke gaskiya komin ɗacinta dushin tsoron ku kawai shi yasa wallahi kuke birge ni suna na umar musa eh, nan garin kwanni ina sauraron radio kalangu eh, bisa ga abubuwan da aka yi lalle abubuwa na masu mahimmanci saboda abubuwa na waɗanda wani kanka yana ina sauraron su shi na waye mutane kanu sosai da sosai saboda haka na radio kalangu muna jinjina mishi muna yabo ne ɗari bisa ɗari to muna son a ci gaba da shirye-shiryen nan na radio kalangu muna fatan allah shi kama muna muna samu muna watsa abubuwan da mun gani muna haɗa muku kuna sawa sunana ahmad assala ina garin ciro shirye-shiryen da ke burge ni cikin studio kalangu akwai labaransu wanda suke wannan ina jin daɗin su sosai da kuma na fada wannan da ake yana ƙayatar da ni ina jin daɗin su a babu gyara cikin abubuwan su ina musu ƙarfin guwa allah taimaka musu su ci gaba da aikin su muna shuraren su gaskiya muna jin daɗin labaran su in bin ji labaran su ban ma jin daɗi sunana jana ina sauraron studio kalangu garin ciro shiro shirin mata wanda suke yi a ranar talata da shirin su na matasa samji da dimash yana kayatar da ni muna jin daɗin haka ina jinjina musu omar awais a ciro shirin studio kalango yana kayatar da ni sosai sirtu le samedi inda ake akci de da wannan ga shirin da kuke yi na message zoditar shi ma yana kayatar da mutum dan kana nan ciro sai ka ji murya ka hanya mai kenan kowa ya san da ciro tana existe shirin mata na wace talata shi ma gaskiya yana fadakar da su lokaci hamad sanda kolbu wata kulu jo kalangu hangan da dai on zero wani wadiga ga hangan da lasar gurgu wani wadiga ga hangan wata kulu igo gini hangan sigira go kani se cotara jabu mo wani irgo gini hangan wani kundi gudu rajo kalangu am am kai dai ingi bonga sak igo ga hangana se dum salmada da ma sire gira ka go tedi wallahi a kani se gum gum gumo a gi bonga iye kwara a gi lakala iye kwara ir sabura jo kalangu se gum gum wani eh, sunana arabi male landa stylist uh, modelist cikin jihar tawa studio kalangu ina sauraron shi kwarai kuma abubuwan da suke nan suna yi suna burge ni kwarai saboda kaga suna iya yi maka abinda da kuɗin kama baka ibe a yi maka shi tunda kaga na ɗai sun taɓa zauwa ta rana sun ka ɗauke ni bisa aiki na sun ka min tambayoyi ayi ɗai ayi biyu kuma na ga mutane da dama wanda sun kai ma wannan abin to wannan abin idan ka ce ka zo ka biya a yi maka shi ba za ka biya ba ka gani wannan abin vraiment yana da umfani kwarai bisa ga abin da suke nan suna yi duk abin da suke yi abu ne mai ma'ana saboda wata rana ina ma kallon shi na ga wasu mutane an gwade su bisa wasu aika wanda suke yi kaga wannan ibadan dalilin studio kalangu ba ba za mu iya ganin su ba kuma ba za mu iya sani an suna wannan aiki ba Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, c'est la fin de l'émission Le Niger Secret Lango d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie de Mariam Ibrahimade et de moi-même Samira Wafi pour la présentation. À la technique, c'était Mustafa Ayouba et la grande dame Adam Adawaki, notre chef d'édition. Bon début de semaine et bonne rupture à tous. Bye bye.